le monde, mis de la Fada Ciné, un secret pour personne. Le Niger est un pays riche de ses cultures et traditions. Et la mode est l'un des vecteurs artistiques que certains jeunes ont choisi pour mettre en lumière ce qu'on a comme richesse culturelle. Nuna nunan kayan de jiki, a Pour preuve, la 13e édition du Festival international de la mode africaine FIMA qui se tient à Niamey depuis le 1er décembre. sununa fusa arsu saka euh, jiki Du 25 au 29 novembre euh, passé, s'est tenu à Agadez le festival Bifa, un festival qui met en valeur les tenues traditionnelles du Niger a watan juni da ya wuce kuma mun ga kaya da aka ɗumka kayan jiki da aka dumka da lerodin da suke tuta ma muhalli la mode éco-responsable de la styliste Biba Amadou Kunche avec sa marque Mabiba nous allons à la découverte des coulisses de l'univers des jeunes créateurs et top modèles nigériens on veut tout savoir sur leur univers ceux qui brillent et ceux qui brillent pas pour mieux papoter euh, nous nous sommes trouvés un coin dans le stand de la jeune créatrice Nika Kriya ici au CCFN. Jean Tabana. À la Fada, nous sommes aussi stylés avec notre musique, rubrique et la chronique de notre chroniqueur Chouchou. Aujourd'hui à la FADA, nous sommes avec euh, notre hôte qui nous reçoit aujourd'hui dans son stand, Nika Kriya. Ça va, tu vas bien Ouais, je vais bien. Nika, tu es euh, styliste, mais également top modèle, c'est ça Oui, je suis mannequin, euh, mais aujourd'hui je pose que pour moi-même en côté mannequinat. Et après, oui, je suis créatrice de mode. Euh, je fais ça depuis 2011. Euh, D'accord. Mhm. Nous sommes avec Aishatu Marou. Tu peux prendre le micro comme ça Aishatu, tu es créatrice, c'est ça Tu excelles aussi dans l'exposition de tes créations, tu vas un peu partout dans le monde. bien sûr. Ok. Donc, nous sommes avec Ali Eh? salamu alaikum. Saba Ali, ya kake da dama? Lalo. Ali ga kai kuma cikin wannan harkan eh, nuna-nunan eh, kayan al'adunmu da kayan kwalliya da kayan jiki kai wane ne aikin naka a ciki? Ni aiki na a ciki shine kamar in za su su sa kansu na gargajiya da abin ga in za su hituwa wanda ake ce ma podium. Eh, shi wannan shine aiki na to ni dokora shine yake sa yi wurin yayi kawaliya a inda in suka hito su ma sai a ga kansu ya kyawu da wurin. abun sai abun ya ba da kwa ok kenan kai eh. wuraren da suke aikin kake eh, aussi peintre c'est ça oui. Ben, sans le bienvenu sur fada. Amis jeunes, un article du blog qui traite de l'évolution du e-commerce Lenglo place la mode au rang du plus grand marché en ligne dans le monde avec une valeur globale combinée à 664,5 milliards de dollars en 2020. L'habillement, les accessoires et les chaussures représentent le premier secteur du e-commerce dans le monde. business Quelle place occupe le secteur de la mode dans le monde des affaires au Niger kana iya bani amsa wannan tambaya ta eh ina iya baki amsa paske mu mun jima muna ciki kuma da ko abubuwa da da yake muna cikin organization na harka artisana da wani abin duka mm. ana dan samu ciki muna ga yanda abubuwan ke taya ba namu ba kare tun da ko wanda ake zuwa daga kasashen waje a kawo suna mutane suna consomme ana iya cewa ele sa deuxième place après la communication Après la communication, c'est c'est sa deuxième place. Son souci, c'est quoi Téléphone. Ça, c'est la communication. On achète tellement. Et Facebook, on a tout ça là. À part ça, c'est l'artisanat, la, la mode, tout ça là, habillement, tout ça là. On est... Obligé, on obligé de consommer parce que habillement, quoi, on a Et kaya, quoi, on a ça, t'as calmé. Mais nous, sai dai namu ne farafor da na na'onsu shine mutanenmu suka fara manca suka fara eh, bari suna taya suna ɗauko america wani france china wani abin alhali kuma aikinmu ya yi kyau ya yi mai kyau shi yasa nike son kasu ji tsoro ko da an ce musu wanga jaka talatin yake ga yi prin inka tana wa Et eh, a eh, les consommateurs nigériens, je peux dire, les Nigériens consomment, hmm. mais pas local. Dans le secteur de la mode, euh, le jeune Nigérien préfère aller, acheter un habit Chanel, même si c'est le fait qui vient de la Chine, que de venir acheter un habit qui est conçu et cousu par ses sœurs nigériennes, mais ses frères nigériens évoluant dans la mode. C'est le hmm. problème, c'est le plus gros problème du Niger. Mais il y en a aussi qui encouragent. Okay. Je le dit, mais plus les plus grands consommateurs, ce sont les expatriés. Nika, kenan dai matasan da suke nan ga dai mutane sun yi sosai su siye kaya a can kasashen waje wasu cana kamar da Ali yace ce kuma ga kinan ke ma ina ga kina da t-shirt kina da kaya kina da bujujjuka da robobi da ke kanki ke yin su Oui, au fait, euh, mhm. au Niger, j'ai vraiment remarqué, moi j'ai plusieurs nationalités qui rentrent dans ma boutique, moins de jeunes Nigériens, pourquoi Parce qu'ils ont déjà des préjugés. Ils se, ils se, sont déjà créés une barrière. Si je rentre là-bas, ça c'est pour les Européens, ça c'est pour les étrangers, ça coûte cher. alors que ça n'a rien à voir. Pour, pour exemple, hein, ce matin seulement, hier nuit, j'ai fait une publication sur les réseaux sociaux et il y a quelqu'un qui dit À quand Nika créa pour les pauvres moi, j'ai tout simplement répondu, j'ai dit, ça dépend. Nika Créa n'habite pas les pauvres d'esprit. Déplace-toi, viens voir déjà ce que j'offre, demande le prix tu peux avoir aussi euh, pour ta bourse, au fait. Mais ne uh-huh. te bloque pas en disant je rentre même pas. Donc, tu sauras jamais ce que Nika crée avant en réalité. Et euh, tu as plus de chances de porter du faux Gucci que de porter de vrai Nika <laughs> créa. Donc ça ne sert à rien d'aller en Chine. Consommons ce que les gens transforment déjà. Même si la matière première, ça vient d'ailleurs, consommons déjà l'effort. Le, dans les coulisses de l'univers de l'amour au Niger, Dawa Dawa. ake iya samu kuma yi da me ake iya samu Niger yanzu komi ana iya samu okay duka ba abin da babu tunda in ka ɗauka daga kaya na sawa daga eh, kaya na sallah na sawa hula takalmi duka ana yi duka ana yi ana anan ana yi a Niger kuma in kika ɗauka mutane iri-iri da yawa kuma ga sunan yi ake kuma ana saidawa kuma firi daga sama zuwa har kowa yana iya samun nashi mai amma sai an zo an gani in ba a zo aka gani ba aka tambaya ba iya gane mm. inda nesa ne za ka ce da nesa ka ce a wancan abun na kaza ne eh, ba irin namu ba ne ban iya sayan shi ka gani yanan mm. sai ga gaggara basa ce kai ta barka ben voilà et surtout je vais euh, reviens vers toi comment tu évolues dans ce secteur dans quoi tu excelles euh, bon je peux dire lors des expositions c'est plus les accessoires et des robes euh, qui sortent les plus. Okay. C'est dans ça que j'évolue. J'évolue dans les ensembles, plus les accessoires sortent plus que l'habillement pour moi. lord okay. is kenan kayan kwalliya an hisa yansu da kamar kayan jiki hakan ga to wannan kayan da kike muka gani yanzu ga sunan anan kusan mu kina da sakoki da riguna qui, qui, qui, Tu confectionnes toi-même, euh, tu crées toi-même. Euh, eh, bon, et eh, il faut se dire, je peux m'expliquer, je peux m'exprimer, dire que je suis plus designer que styliste parce que je ne coupe pas. J'ai pas fait une école de couture. Mhm. Je fais mes dessins, mon design, et j'ai des gens qui coupent, qui me font, qui me, ça dit, qui me le produisent. Donc la majorité. Hmm. Voilà. ali shi dai ya ga muku shi kwalle wurare ya iya kuma yana zane-zane hallo bisa kan takarda wannan shine ake ce ma fentir ko to kun shi aikin ali ƙwarya kuma hallo a sa mata haske tana in kuka kunna ta eh, kamar da murece har da sahi eh. irin wannan mugun muhalkin nan da mutum ke yi kamar ya tashi ya tashi ya gani ya eh, tashi ya ga duhu wannan to shine muka hiddo irin wannan Eh, lamfofi da ake da kwarya saboda ko da ka hirgita na tashin nan mm. eh, bai abin ga hasken nan baka ganin kanka dai cikin eh, duhun lubu duhun nan kuma hasken bai taba ma kokola to kuma mm. Kriya tu me dire toi dans quoi tu excelles qu'est-ce que tu fais dans ce grand univers qui est la mode qu'est-ce que tu fais Merci beaucoup. Mhm. Donc euh, moi je disais tout à l'heure je fais de la production de vêtements. Ouais.

zance da et on se reprend juste après la rubrique de Mr. Dondi. Big la machine souhaite la bienvenue sur l'artiste s'exprime vinibakasinene lekala gitandi nganona ibina kaga tangi aifundo wala bila atabi aisikana isigora isigirbi vinsani gabageberan tabi hainyaise warifuchechaise damantiya wala miti. donc du coup c'est ça l'entrée mesdames et messieurs big abdel donc dites cette la bienvenue une fois de plus sur cette émission merci bien hawa covid big abdel wa na sanifo Ok, aigo hangana qui se cache derrière Big Abdel. C'est de cela que nous avons besoin sur cette ah, Exactement. Ok, Big Abdel, donc euh, je réponds au nom de Amadou Gadou Abdoulaye. Ça, c'est mon nom à l'état civil. Ok. Original Big Abdel comme nom d'artiste. Je suis artiste, chanteur, auteur-compositeur. Tu es né en quelle année Je suis né en 1989 à Maradi. Maradi, c'est la capitale économique. Effectivement. D'accord. 1982 9. 9. Big Abdel. Ouais. À partir de, ce, déjà de cet instant, à partir de cette année, mhm. est venu au monde un artiste. À partir de quelle année l'art s'est révélé en toi, mon frère Dis-moi. En tout cas, ça fait pratiquement 5 euh, ans de cela. 5 ans de cela. 5 ans que je me suis donné euh, à fond dans le mouvement artistique. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce mouvement artistique artistique Dans un premier temps, je pense bien que c'est la passion. La passion. C'est la passion, je suis fou furieux de la musique. Qu'est-ce qui a miné cette passion en toi Ce qui m'a donné envie de chanter. Oui. En tout cas, ça fait de cela des années. Parce que c'est depuis que j'étais petit, depuis que j'étais gamin, j'écoutais trop de la musique hum? locale. Locale. Oui. Il y a le groupe euh, La Calcanet c'était dans les années 98 le premier album effectivement d'accord ok d'accord et tu as commencé toi à chanter à partir de quel moment j'ai commencé à chanter à partir de l'année 2015-2016. Donc il y a là 5 ans comme tu l'as dit tout à l'heure. Effectivement. D'accord. Tu fais quel genre de musique Je fais de la musique euh, reggae français. Ok. Un peu le mix avec l'afro-pop. Reggae français avec de l'afro-pop, ça c'est un autre genre musical, hein, c'est un peu Oui, c'est un mix parce qu'il faut que beaucoup me Ah, c'est ça, c'est pourquoi le choix. Effectivement. Ah. Parce que quand on parle de reggae, c'est que ce n'est pas toutes les filles qui kiffent du reggae. Ok. Donc afro-pop, ça va. avec, ça amène un peu les filles. <laughs> De, de, tous les côtés. un public de ouf, quoi. Tout à fait. <laughs> D'accord. Je voudrais avoir ta vision de la musique nigérienne sur cette émission. La musique a de l'avenir selon toi, ici au Niger Je pense pas. Je pense pas que la musique a de l'avenir. En tout cas, pour l'instant. Ah. Mais on espère avoir un canal qui va nous amener très loin, qui va nous amener au succès, au seuil. Mais maintenant, c'est sûr, je vais rien vous cacher, donc vous le savez très bien. Difficulté, ok. Il est confronté à un certain nombre de problèmes. D'accord. C'est l'artiste au Niger. Ok. Il est très mal vu par la société. Tout à fait. Malgré tout, on supporte le coup. Oui. Les bâtons dans les roues, on continue, nous. Mais Assine, cité. Mhm. Pourquoi Parce que si tu as l'envie de faire, tu feras manque hmm. pas donc du coup c'est pas facile c'est du never give up et vous continuez never give up on continue Big Abdel oui l'instant est solennel tu vas donc t'exprimer dans un instant T sur cette émission T une minute de temps d'antenne pour dire tout ce que tu as au fond de toi. Dans un premier temps, je vais essayer de toucher la jeunesse en un mot. Mhm. Il faut que la jeunesse arrive à comprendre un certain nombre de choses. Mhm. Je me focalise d'abord sur la consommation locale. Mhm. C'est ça. Parce que plein d'artistes essayent d'organiser un truc de ouf. Le jour J, il n'y a pas de public. La jeunesse, elle est censée aujourd'hui effectuer un déplacement aux événements des artistes locaux. Donc, euh, il faut qu'on mette un accent sur la consommation locale. C'est ce qui fait en sorte que la musique souvent décline. C'est ce qui fait que la musique n'arrive pas à avoir une très bonne tendance comme ça se doit. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Là-bas, tu pars, tu vas voir des artistes qui viennent de naître mais ils sont tellement kiffés par la population. Ils sont vraiment euh, à féliciter. On les booste. Et ils sont partis comme ça. C'est ça l'idée. Si de vrai, le Nigérian n'arrive pas à donner sens euh, à son frère artiste, tu vois pas de l'avenir. Hein. L'avenir de ces artistes repose sur les épaules de tout un chacun. C'est ce que vient à l'instant d'expliquer l'artiste Big Abdel. C'est ensemble que nous pouvons donc euh, les accompagner les pousser à atteindre le sommet et à s'imposer à l'échelle internationale. Mais, mais voilà, la machine dit prend congé de vous. On revient à la fin d'aujourd'hui. Installez euh, dans le stand da Nika Crea yau ita ta bamu dama mu zo mu dora fada mu anan tare da ita muke nan muna hira bisa kan aikin nasu da suke yi na dumke-dumken kaya da kayan kwalliya da saidawa da saidawa da suke yi a wannan fadar muna tare da Ali da Aishatu wadda kun ji ta dazu muna tare da Nika Crea to banda wa'annan wanda suka zana muku duka aikin da suke yi cikin wannan fannin nasu na kayan nune-nune da ake cima mod kayan gargajiyar da ake nuna akwai masu sawa suna gwada ma mutane su ne ake ce ma mannequin jiya mun je mun wasu a nan défilé da aka yi a nan stade général sen kun ce afima des jeunes mannequins qui ont partagé leur univers avec nous leur quotidien leurs rêves mais aussi euh, leurs difficultés on les écoute et on se reprend juste après c'est un travail qui ouvre beaucoup de portes. Tu peux rencontrer des gens qui viennent de l'étranger et s'il y a possibilité, ils vont te parrainer pour t'amener là-bas, te donner des formations et peuvent te trouver du boulot. Mais avant de rentrer dans le mannequinat, il faut s'assurer d'avoir des diplômes, comme le BPC ou le bac, pour que même étant à l'étranger, qu'on puisse continuer les études et avoir un travail. Mon désir, c'est d'être comme Alfadi. J'aimerais faire carrière dans ce métier, puisque ça ouvre des portes à, l'extérieur. Euh, il y a beaucoup de difficultés dans le milieu parce que il faut des bras longs. Parce que quand tu parles au casting, quand tu connais pas le directeur casting, il te prend pas. On aime ce qu'on fait, on s'en fout des ondits. Les gens nous ont traités de PD, les gens nous ont traités de des vagabonds, de tout. C'est juste pour la passion que je suis de la mode. Je vais te dire mon rêve, c'est d'aller à Paris, de défiler pour Victoria Secret. Aujourd'hui, si je suis là, peut-être je peux me faire remarquer par quelqu'un qui est de là-bas et tout ça. Ma famille, ça va, mais tout le monde m'insulte des prostituées. Hein. Moi, je m'en fiche. Tu as été comme ces jeunes, même si tu dis que maintenant tu défiles, euh, tu, poses que pour ta marque, tu, étais dans cet univers. Comment ça marche ici alors, euh, ici, vraiment, c'est très difficile pour une jeune fille d'exceller là-dedans. Il faut toujours qu'elle sorte pour pouvoir s'en sortir. Hmm. Parce qu'on a le poids de la société qui t'empêche d'évoluer là-dedans. Euh, moi, c'est pas à cause du poids de la société mais parce que euh, je voulais me concentrer sur euh, euh, la production de vêtements, ce qui ne me permet plus de défiler pour d'autres marques. Tu vois, ça fait un peu stratégiquement, c'est pas bon pour la société d'avoir hmm. une marque et de défiler pour une autre marque. C'est pour ça que moi j'ai abandonné. Après, il y a eu la maternité, tout et tout. Mais au Niger, vraiment, si tu veux exceller dans ce côté-là, il faut voyager. Et ouais. va le faire. Parce que les gens, ils vont vouloir t'étouffer. C'est très lourd, au fait. Voilà. Justement, selon le site celebrity.fm, Kendall Jenner, vous voyez qui c'est mhm. La sœur de Kim Kardashian et mhm. est le top modèle le mieux payé au monde, 22,5 millions de dollars. Il faut sortir si tu veux gagner dedans. Parce que ici déjà on te paye pas. Ah Après, ah tes parents vont t'insulter. <laughs> et donc, tu décides bah, un cas, Voilà, donc tu, as, tu perds, tu n'as tu n'as rien, tu n'as aucun des deux. Donc vraiment, sors et pars te chercher si tu as la possibilité de sortir. Ici au Niger, euh, les mannequins ne sont pas bien payés. Est-ce que des, événements comme le FIMA, parce que là, là, ceux que j'ai rencontrés hier, ils avaient plein de rêves, ils avaient des étoiles dans les yeux, genre mm. le FIMA, le FIMA, ils vont se faire connaître, ils disent qu'on peut les repérer là-bas. Des événements comme le FIMA, ça donne autant de possibilités. Qui te repère déjà Qui te repère Est-ce que en cette période de, de Covid, cette personne est là c'est ça le truc. Ah, ah ouais. En cette période de, de, Covid, en cette période d'insécurité, cette personne n'est pas là. Hmm. Voilà. On va peut-être te voir sur les réseaux sociaux. Moi, je crois que ça, là, c'est sur les réseaux sociaux. Tu vas plus te trouver sur les réseaux sociaux aujourd'hui que sur le podium de FIMA. Hmm. parce que celui qui te repère n'est pas là aujourd'hui. Genre, de la même façon, nous on se cherche là. Ils n'ont qu'à se chercher comme ça. C'est pas sur le podium du, du FIMA qu'ils vont trouver ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, le FIMA, les premiers FIMA, oui, ils pouvaient le faire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est tard. Sors pour aller te chercher. ta ce yanzu dai cikin wannan al'amarin da muke ciki na covid covid-19 da wannan al'amarin rashin problem kin tsaro da muke da shi mutanen da za su zuwa su gane ka har su kai ka nesa su kai ka kasashen waje inda za ka taya ka samu wani abin kirki ba su ma zo ba to kenan a nusu suka nusu kama jikinsu kai ma ka kama jikin ka zo <laughs> to aisha ina so in san ke ma irin wannan matasan des événements comme le FIMA toi en tant que designer qui excelle dans l'exposition qu'est-ce que ça t'ouvre comme porte des événements comme le FIMA euh, bon, en acceptant de venir quand même euh, exposer, moi je croyais avoir une ouverture, c'est-à-dire euh, me connaître plus, faire connaître plus les produits. Mais à ma à ma grande déception, si je veux le dire, ici, ah au Centre culturel français, on se regarde juste en tournant exposant. Donc, ce que j'attendais en venant, euh, bon, je ne l'ai pas eu, mais je persiste à être là. Donc, du coup, je ne pouvais pas faire sortir tout ce que j'ai. Et bon, j'ai pas eu ce que je voulais en venant quand même, excusez en, en venant, en venant exposer. Ah, okay. au fait qu'il n'y euh, a pas eu beaucoup de monde euh, déjà au FIMA qui, qui viennent participer au FIMA de l'extérieur, ou euh, c'est lié à un problème euh, Bon, je bon, je ne sais pas trop parce que moi je me disais peut-être qu'il n'y a pas eu de communication, mais il y a un monsieur qui était passé hier, qui est encore passé aujourd'hui, euh, qui euh, d'ailleurs a fait quand même un achat chez Nicatrea, qui nous disait que lui il est venu parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'il a su qu'il y a une exposition au niveau du centre culturel français. Mais ce qui a fait, il était depuis hier, il était le seul client quand même qui circulait par là. Donc <laughs> <laughs> Je ne suis jiki. comme à la fin on a de la musique pour euh, nous booster encore parce que euh, c'est aussi ça, c'est l'espoir. On va pas baisser les bras, ne never give up sur la fada. Et qu'on est super stylé aujourd'hui chez Nika Crea. Je vous propose saper comme jamais et on se reprend juste après. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me rambo. Ça va faire six ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, eh oui, voilà, non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, oh les mains, oh sauf les mecs en bas les mains, les mains, bas les ça roule façon Aladdin. Oh les mains, oh les mains, oh sauf les mecs ça en bas les mains, les mains, bas les mains le façon Aladdin. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits Paris. m'a vue, elle t'a plaqué. Fais les pour pour de coups sur la chaussée. Je suis congolais, tu vois, je veux dire. Hein, hein, normatisé, maître Gims m'a convoitisé. Charlie Delta localisé, l'embilation focalisé. Sapé comme Chacha, Chama. Dorénavant, je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire, Messi. La concurrence à ma vessie. Loubouzano et Hermès. Lui, vite ton sac, je veux la recette. Passe avant minuit faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits Paris. Et comme jamais. On parle de la mode, on parle de l'univers des jeunes créateurs, euh, mannequins. <laughs> on veut vraiment savoir comment ils évoluent, qu'est-ce qui marche, les coulisses, qu'est-ce qui ne marche pas. On va glisser sur ce qui ne marche pas. C'est la dernière question de cette émission. On va parler du côté moins bling bling de votre euh, univers. Nika Créa, je commence par toi. À quoi vous faites face comme difficulté donc les difficultés en tant qu'actrice du Made in Local, euh, je crois que le Made in Local, c'est euh, tout le monde euh, en bave, hein, genre on subit quoi. Donc on n'arrive pas à... La demande n'est pas forte, l'offre est quand même là, mais de temps en temps, <laughs> l'espoir qu'on a fait en sorte qu'on continue d'exister. De, et, et puis voilà. voilà mutane dai ba su damu da abin da ake yi ba anan in na gane dai haka dai kika ke shine dai matsalar ki dai mutane dai hada sai sai kawo wani wuri kuma ga naku nan ashe oui bien sûr genre les gens ils n'ont pas Au fait, ils se renseignent pas, je crois. Mm, ils se renseignent pas, oui. oui. Parce que quand la personne vient se renseigner, au moins, tu te dis, bon, euh, voilà, il va de bouche à oreille, s'il raconte à quelqu'un, peut-être cette personne sera intéressée. Mais déjà, si vous êtes braqué, vous ne venez pas voir ce que nous faisons, comment on le fait, ce hmm. que ça coûte, euh, bon, je me dis qu'on va pas aller loin, quoi. Ouais. Et comme ça, les gens, ils vont toujours faire leur business, ils viennent acheter chez nous, ils, partent vendre ailleurs. Et eux, ils s'en sortent, tu vois je voilà. ni kakar ta ta ce ita matsalar su dai mutane ba su ba ba su ganin daraja su abin da ake yi a nan kasar Nijar Hera su can kasashen waje sai rigunan su da takalman su da kayan adon su kayan kwaliyar su zan zo wajen kike kuma Aishatu Aishatu ke ko ina kike tahiya gari gari kasa kasa kina dora kayan ki na saidawa matsalolin ki tu peux me parler du côté moins bling bling euh, parce que tout est joli chez toi ce qui n'est pas joli dans Merci. ce que tu n'arrives pas à gérer comme souci, tu peux m'en parler Oh, bon, moi, je l'ai dit, euh, j'ai pas quand même de problème de clientèle. Ok. Vu que c'est des grands foires que je participe, je participe aux petites expositions à l'international, donc ce sont mhm. des expositions qui sont connues, ça attire beaucoup de personnes. Mon plus gros problème là, je l'avais dit, c'est l'accompagnement, d'essayer de nous aider un peu, surtout pour cet après-Covid, qu'il y, ait une, y une structure d'accompagnement euh, mise en place par le gouvernement pour pouvoir quand même euh, accompagner les jeunes créateurs. Et, j'invite aussi les jeunes créateurs nigériens à ne pas quand même euh, chercher juste le marché local, de chercher le marché international en se présentant aussi dans les grandes expositions internationales. Moi, je le dis toujours, ça rapporte beaucoup. si bulaguro su je cikin wasu kasashe in nan an kise saye can an saye ali je fini avec toi to najiya ba mu mun son su saya ha parce que kayan mu da muke yi in suna saya muna gani suna sawa ko da ko su matsaloli mu da kanmu muna iya mu gyara eh gaskiya mai kuma ilfoke suna hitowa in ana fuwar ana wani kamar zuwa da aktifi ma mai ni na su a ga duka nigeria an zo ana diba ana tambaya ana gani nawa ne wannan eh, ko bakar kuɗi yanzu hmm. tana ka ce tun eh, kwana biyar ne da kwana oh, biyar eh ka samu eh, ka ɗauki hoto ka yi wane ne <laughs> wannan duka wala c'est ça en fait il faut qu'ils sortent pour voir ana gani ana ana aikin yana yana ci gaba ne kun shi dai a matasa wannan shirin namu ya zo karshe uh, amma kan yi bankwana kwana kwata-kwata da za a Olivier Dama. Ils ont mis de et on se dit officiellement au revoir sur salafara. Chaque samedi à pareille heure, c'est mon heure sur Studio Kalangu et c'est la chronique. Cette semaine, je vais vous parler de l'affaire Ibrahim Kaka ce jeune bachelier 2021 handicapé de deux jambes. Tout a commencé le 1er décembre sur la page Facebook Innocent Hip Hop, un post qui demandait la clémence auprès des internautes en ces termes Aidons-nous vivants. Ibrahim Kakaïdi, bachelier de la session 2021, bac à 4 handicapé depuis l'enfance et amputé de deux jambes des suites d'un accident, prière à toute bonne volonté pour l'octroi d'une bourse à ce jeune homme qui, malgré son handicap, souhaite continuer ses études supérieures. Il est de Tunga Mayaki, commune rurale de Kargi Bangu Dosso. Et après, une photo fut postée. Eh bien, après ce post, s'en est suivi une avalanche de partages et de commentaires. Il a suivi de quelques heures pour que l'internaute nigérien Mohamed Bazoum, le chef de l'État lui-même, s'intéresse à la situation du jeune Ibrahim Kaka Idi. Suite à l'annonce sur les réseaux sociaux relative à la situation de Ibrahim Idi, le président de la République, Mohamed Bazoum, a donné des instructions afin que celui-ci bénéficie de la solidarité nationale à travers la prise en charge de ses études durant son cycle universitaire. C'est ainsi que le ministre des Enseignements supérieurs a annoncé à l'intéressé à sa famille la bonne nouvelle. Ibrahim Kakaidi sera donc pris en charge par l'État du Niger à l'université de Dosso tout le long de ses années d'études. Eh bien, l'affaire Ibrahim Kakaidi est une preuve que les réseaux sociaux peuvent donner du sourire et consul. Comme nous avons coutume de le dire dans cette chronique, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi. Tout dépend de ce que vous en faites. Que l'affaire Ibrahim Kakaidi vous inspire plus et que chacun de nous comprenne qu'à travers les réseaux sociaux, on peut également donner du sourire aux autres. Smile D'ici là, portez-vous bien et comme toujours, je finirai en disant paix, lumière, amour sur vous. One love, bye bye. Merci bien Olivier, c'est la fin de tous à la Fada Et au sein. Nous étions avec euh, des jeunes créateurs qui sont vraiment dans l'univers de la mode, décorateurs, euh, exposition, création de vêtements, design, la totale. Franchement, ces jeunes, ils nous ont dit dans quoi ils évoluent, comment ça marche, les coulisses, ce qui brille et ce qui ne brille pas également. Comment on a 'yan uwansu matasa 'yan uwansu 'yan Nijar su ringa zuwa suna ganin abin da suke yi suna kama musu sun so a ce kayan nasu anan ake siyan su kan su ɗauke su da su kasashen waje da saru suna siye to sai in ce a munan fada a huta lahiya su na ya kare gobe za su ci gaba da abokin aiki na don za su hira bisa kan dukka matsalolin nasu za su babbaje muku kowanne matsalolin nashi da zai ke ciki kuma da kakan da za a yi a kama musu hanyar da za a bi mafitar da za a samu